On doit examiner le bébé à la naissance pour identifier un problème neurologique. Un bébé qui est né, tout le monde sait, il gesticule dans tous les sens, il crie. Un bébé qui ne fait pas ça, c'est un bébé à problème. Il y a certains réflexes qu'on cherche chez les bébés également. Ces cinq réflexes et on doit les trouver. Quels sont les réflexes recherchés par les sages-femmes C'est le réflexe de Moreau. Il faut tirer le bébé il est en position couchée, on essaie de le ramener en position assise. Un moment, la tête sera en arrière. Au fur et à mesure qu'on l'amène en position, il doit maintenir sa tête dans l'axe du corps avant de la basculer. Il y a ce qu'on appelle la marche automatique. C'est un bébé qu'on essaie de mettre en position debout et on le fait marcher. Normalement, un bébé qui a un bon cerveau doit pouvoir faire quelques pas. Maintenant, l'absence de ces réflexes à la naissance, ça veut dire qu'il y a une dépression du système nerveux central. Généralement, même ces problèmes qui arrivent, il faut demander le contexte de l'accouchement. Ou bien pendant la grossesse, est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent nous expliquer cette situation. Quels sont les examens que vous faites pour connaître l'étendue des dégâts On demande un électroencéphalogramme pour voir l'intégrité cérébrale. Si le cerveau n'est pas Bon, on met les enfants sous des médicaments. Et il y a aussi la kiné. Mais avant que vous le faites, il faut que l'enfant respire d'abord. Quand l'enfant ne respire pas, qu'est-ce que vous faites Il faut le réanimer. Parce que vous savez, dans le ventre de la mère, l'enfant ne respire pas. Il reçoit l'oxygène et les nutriments à travers le placenta. Maintenant, ce bébé est né. En coupant le cordon, le sépare de sa mère. Donc, il doit assurer seul son autonomie respiratoire. C'est cette transition qui est difficile. Il y a des bébés qui démarrent tout de suite, mais d'autres ont du mal à démarrer leur respiration. Donc, il faut les aider en le réanimant. Vous le séchez rapidement, il se met à crier. Vous l'aspirez, il se met à crier. Il y a certains, malgré ça, il faut les ventiler au ballon pour les aider à respirer. Dans le temps, ce sont des petites fessées qu'on leur donne euh, pour qu'ils commencent à crier. Est-ce que cette pratique est toujours d'actualité On appelle ça stimulation. Avant, la sage-femme prend le bébé, elle le tape, tape, il crie. Non, ça c'est interdit maintenant. Donc c'est des petites chiquenottes, des petites tapes sur le talon, on frotte un peu le dos et ça suffit pour qu'il se réveille et se mette à crier. <laughs>